ministre fii Yewo, nous sommes à quelques mètres de du marigot de Mbao mais bu c'est impraticable Amour, assainissement Mbao Villeneuve avons déverser seen ndox bi mu ñëw fekk suñu Mbao cité Dabakh Malik, et c'est impraticable monsieur le ministre on demande à ce que l'on nous jël ci ay monsieur le président maintenant je souhaiterais m'adresser à mes collègues députés et à l'opinion nationale et internationale dama koy wax du la top fa ngeen jëm dafa soriwul li may wax dama bëgg nit ñi dégg ko man député opposition la d'accord mais je prends mes responsabilités moi je suis libre Kébémer ñoo ma fi andi Kébémer lay déglu sama base lay déglu dégluwu nit bu may wax defal lii defal lii parce que ëllëg si biir ëllëg si biir su ma tëddee sama bàmbeel amul benn député bu ma fay fekk di may wax bu ma yàlla di laaj li ma damay wote sama aqulaay taala j'affirme que c'est moi man ma procuration Seydou en tant que président de la commission des finances parce que depuis le début pourquoi le vote d'hier a posé problème mais depuis le début je suis là assis et je vote pour le budget de l'État sama sama président du groupe parlementaire Mingi ngi nee qu'on parce que depuis mon tendre enfance ne je dis et je le répète Kébémer yónni wuñ ma fii pour ma bloquer budget wala pour ma bloquer état bu heure politique jotee nag su heure politique jotee su boobaa ñu politique asalaamaaleykum wa rahmatullah